Bonjour euh, chers internautes de ugfm.sn, bienvenue euh, dans le journal Plainte de Wave, l'ARTP euh, tense la Sonatel, suite à la demande d'arbitrage de Wave sur le différent qui l'oppose à Orange. L'autorité de régulation des postes et des télécommunications vient de réagir. Elle a demandé à Orange d'appliquer sans réserve les principes des qualités de traitement et d'accès dans le cadre de la distribution des crédit Wave Mobile Money SA a saisi l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP d'une plainte contre Sonatel SA conformément à la réglementation en vigueur. Depuis cette saisine, l'autorité de régulation travaille sur le dossier qui, pour des raisons juridiques, est entouré euh, du secret de l'instruction. Toutefois, il convient de préciser qu'à titre conservatoire, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes a demandé à la Sonatel et d'appliquer sans réserve les principes d'égalité de traitement et d'accès, de transparence et de non-discrimination en accordant à Wave Mobile Money SA les mêmes conditions que celles appliquées à ses filiales ou à ses associés, notamment Orange Finance Mobile, conformément à l'article 76 du Code des communications électroniques. En tout état de cause, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes trouvera une solution en toute impartialité tout en préservant l'équilibre du secteur, les intérêts des consommateurs et de toutes les parties prenantes ci tënk rek euh, ginnaaw euh, bi nga xamee ne kii di euh, Wave dafa daal di porter plainte ki nga xamante ni rek moom mooy Orange donc niki ci suba rek ñi nga xamante ne mooy agence de régulation des postes et des télécommunications ARTP ñoom nak daal di nañu xëy rek daal di joxe suite ci plainte bi le ñoom nak lu ñuy xamle rek ginnaaw bi ñu appliqué li nga xamante ne mooy article soixante-seize du code des communications électroniques mooy kii nga xamante ni mooy orange euh, droit yi nga xamante ne moom la am rek droit yooyu rek euh, le kii di Wave mobile monnaie SA daa di am euh, di ko xamal rek ne na appliquer loi boobu nag sans réserve donc traitement yi ñoom ñoo ko war a tolloole te warul am benn discrimination